bienvenue, vous êtes à l'écoute de l'actu des jeunes. Je suis Balkissa Amidou avec à mes côtés Habibou Garba. Salut Habibou. Salut Balkissa. Tu vas nous parler de quoi cette semaine On va parler d'une coupe de chevet qui fait la ferrère, le Zoulou simple. À Niamey, des jeunes filles leaders dénoncent le mariage précoce et on se baladera au bord du fleuve Niger avec euh, la chaleur qui arrive. Les jeunes viennent se rafraîchir. Et enfin, on fera un point sur le sport. Alors, c'est parti. Pour commencer, Habibou, tu vas nous amener dans la commune de Lokoko, et dans la région de Dosso pour parler formation. Exactement, Balkissa. Depuis quelques années, l'État du Niger et ses partenaires ont initié là-bas un site intégré de formation agricole, les CIFA. Le but est de former les jeunes en technique des productions agricoles, la transformation des produits et l'embauche. Selon Maman Sani, un jeune producteur de lococo issu du Sifa, cette activité a permis de fixer beaucoup de jeunes sujets et même de booster l'économie locale. Je te propose de l'écouter. Depuis que nous avons commencé cette activité, nous avons enregistré des avancées significatives. Et c'est là, nous faisons la culture maraîchère et nous nous réjouissons de l'impact positif que cette activité a apporté dans notre vie. Nous avons compris que l'agriculture et l'élevage sont des activités génératrices de revenus qui contribuent au développement de notre territoire et nous empêchent d'aller en exode. Depuis que nous avons appris les techniques de production agricole, nous restons dans notre localité. Nous produisons des légumes, nous consommons une partie et nous vendons l'autre pour subvenir à nos besoins. Nos parents sont très satisfaits de nous voir émerger en si peu de temps. Habibou, on passe des producteurs aux coiffeurs. Tu vas nous parler d'une coupe de cheveux qui fait un tabac auprès de la jeunesse nigérienne. Eh oui, et il a forcément vu dans les rues, c'est la coupe appelée Zulu Simple ou des couches. Je suis allé à la rencontre des adeptes de cette euh, dernière tendance capillaire. Nous sommes au salon de coiffure tondeuse d'or à Niamey chez Lawali. Les jeunes affluent dans ce lieu où tous optent pour la même coupe, le même modèle Zulu simple. Cette coiffure qui consiste à raser les côtés de la tête et laisser les cheveux de la hauteur. Par jour, Lawali peut coiffer 15 jeunes à raison de 500 francs CFA par tête, une aubaine qui lie à la mode. Ah, maintenant, c'est ça qui est sur la mode. Tous les jeunes là, c'est ça parce que pourquoi? Donc, si le nom de joueur ou bien le nom de musicien, voilà qui est sur le top, donc c'est à vers ça que les jeunes aussi suivent. Effectivement, c'est la mode, disent ces jeunes. Cependant, les raisons diffèrent d'un jeune à un autre. C'est la mode. C'est pour un beau. Tu sais que tu vas pas faire un truc dès qui te plaît pas. C'est cette génération qui est comme ça. Tous les MC, aiment le simple là. Les autres là, c'est à cause des filles. Les autres, c'est juste pour les modes. Moi aussi, j'aime ça. Oui, aujourd'hui, les jeunes filles aussi ont de l'exigence en matière de style. Elles encouragent les jeunes garçons à faire le Zulu simple, une manière pour elles d'être avec un jeune branché et moderne. Écoutons shida une jeune fille lycéenne. J'aime les hommes qui sont simples, qui n'ont pas de problème. La coiffure, comme des Zoulous Zoulous là, on la simple. Coiffure Zoulou simple, oui, oui. Coiffure Zoulou simple, une coupe très prisée par les jeunes filles et garçons d'aujourd'hui. Et pourtant, il y a dix ans, c'était une autre coiffure tendance, la coiffure mode coque et Congo, qui était au top dans les grandes villes du Niger. Zoulou simple Habibou, mais tu n'as pas profité de ton reportage pour te faire une coupe. Comme on dit à l'école du caméléon, pour vivre pleinement, il faut prendre la couleur du milieu. <laughs> tu vois bien que mes cheveux sont trop courts, mais dès qu'ils poussent, j'y m'y mets. On va parler cette fois-ci d'un sujet sérieux, Habibou, le mariage des enfants au Niger qui est devenu un phénomène préoccupant pour lutter contre cette pratique sociale néfaste. Un groupe de jeunes filles leaders s'est engagé à mener des actions de sensibilisation à l'endroit des parents. Exact. Le but et notamment de faire en sorte que les jeunes filles poursuivent leur scolarité. Ces jeunes filles y étaient il y a quelques jours au chevet des femmes victimes de la fistule obstétricale, conséquence justement de ces mariages précoces. À l'hôpital national de Niamey, on a rencontré Jamila Soleil, une jeune fille leader. Une jeune femme. Elle s'est mariée à 9 ans. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle faisait des fausses couches jusqu'à ce qu'elle est devenue fistuleuse. Ses parents l'ont abandonnée. Son époux ne plus venu la voir. Elle s'est sentie toute seule. Le Niger est le pays avec le le plus élevé de mariage précoce au monde. Un quart de filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, trois quarts avant l'âge de 18 ans. Nous continuerons de mener des actions de sensibilisation. Lorsqu'on maintient une fille à l'école, c'est la possibilité de lui offrir une éducation de qualité, lui permettant de devenir suffisamment confiante en elle-même. Jamila Souley, une jeune fille leader rencontrée à l'hôpital national de Niamey. Nous allons faire un tour au bord du fleuve à Habibou, cette fois-ci pour parler des jeunes qui, à l'approche de la chaleur, profitent pour se rafraîchir au bord du fleuve Niger. Et eh, Belkissa tout le monde se retrouve dans les jardins qui bordent les rives et vont se baigner. C'est le sujet du petit reportage que je te propose. Ah, Ils sont nombreux, jeunes et moins jeunes à prendre d'assaut la plage de l'INGS de Niamey. Pour ces jeunes qui comptent passer la journée au bord de l'eau, seul le fleuve est un remède de la canicule qui se vit en ville. Ibrahim s'est dit content de venir s'amuser avec ses amis. Je viens ici pour me laver. Je viens avec mes amis parce que à la maison il fait chaud. Si les jeunes jouent dans le fleuve en groupe de 4 ou 5, les moins jeunes et sont dans les jardins pour passer du bon temps. Dans les jardins d'Omar, le jeune Hamza venu avec deux tapis, des brochettes et de l'eau glacée dans un thermos rouge, affirme échapper à la chaleur. Nous sommes venus ici pour nous reposer car il fait chaud en ville. Dans les jardins ici, tout est bien. Pendant la saison de forte chaleur, les jardiniers voient leur chiffre d'affaires monter en flèche. Ils louent les jardins aux jeunes qui affluent les lieux. Pour Omar, les jardiniers, la période constitue une véritable aubaine pour eux. C'est pour la chaleur qui vient se rafraîchir. C'est notre traite. On peut estimer parfois de 7 000 à 8 000 font une cotisation pour venir se distraire. Donc dans cette il qu'ils enlèvent aussi la location de là où ils doivent s'enjailler. En attendant le début de la saison des pluies qui occasionne la montée des eaux et marque généralement la fin de la fréquentation des jeunes au bord du fleuve, ces lieux vont continuer à engendrer une marée humaine, surtout le week end La vigilance doit être au rendez-vous car même la semaine dernière, un jeune collégien a perdu la vie dans le fleuve à la rive Goudel j'ai vraiment envie d'aller me baigner au bord du fleuve. Hein. Ah, ça fait du bien. <laughs> Après le reconfort, l'effort, on passe au sport cette fois-ci. On commence avec le foot, bien que ce n'est pas mon fort. Ah bon <laughs> La Ligue des champions où les clubs qualifiés pour les quarts de finale sont connus cette semaine. Quels sont ces clubs Mardi, la Juventus Terrain a arraché sa qualification face à Atlético de Madrid en s'imposant 3 buts à 0 en match retour triplé de CR7. Manchester City a humilié Chalk 4 avec un score fleuve de 7 à 0 et pourtant, en match aller, les enfants de Pep Guardiola ont gagné 3 à 2. Manchester United bloque le passage au PSG avec le score de 3 à 1 en match retour, alors que les coéquipiers de Neymar Junior avaient gagné 2 à 0. AS Rome aussi a été éliminé par FC Porto par 3 à 1. Quant à l'équipe de Tottenham, elle a déjà son ticket pour les quarts de finale. Elle s'est imposée face à Dortmund 3 à 0 en aller et 1-0 retour. Ajax Amsterdam, lui, a éliminé le triple champion Real Madrid. 2 buts à 1 en faveur de Real Alliés et 4 à 1 en faveur d'Ajax match retour. Et le Real Madrid a fait appel à son ancien entraîneur Zinedine Zidane après la défaite. FC Barcelone a corrigé Lyon en match retour à 5 buts à 1 alors qu'en match aller, les clubs se sont séparés par un score vierge. Après 0-0 en aller entre Liverpool et Bayern Dominique, hier Liverpool s'est qualifié en gagnant 3 c'est la fin de l'actu des jeunes. Merci de l'avoir suivi. Merci à toi, Habibou. On se reprend la semaine prochaine. Oui, euh, ça marche, Balkissa. Merci à toi également. Ne changez pas de fréquence. Dans un instant, c'est l'heure de la FADA des jeunes, le magazine des jeunes.